Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, chers étudiants, chers invités d'honneur, je vous remercie vraiment et je suis tellement content aujourd'hui de vos présents ici parmi nous. Je remercie au passage, parce que je ne peux pas faire mes remerciements sans pour autant dire les noms, à savoir M. Djanko, M. Falou Ndaou, Lamine Diop et compagnons, M. Ousmane Gom, M. Ibrahima Faye, mon ancien mon président, et M. Saliou John, M. Amadou Diouf, Amadou Sen, Papa Anne au passage, mais sans pour autant oublier M. Pape Mourmbaye. M. Mbaye, je vous remercie. Je n'ai pas de mots vraiment parce que je suis tellement content. Je suis arrivé à l'ineffable. Le fait que les mots me manquent pour m'exprimer de la manière dont je veux, parce que l'être humain n'est pas du tout parfait. Bon, je remercie à l'ensemble des étudiants si présents qui ont laissé tout leur travail, leurs préoccupations aussi pour être là parmi nous. Mais sans pour autant oublier à mes ancêtres là qui est le bureau sortant. Je vous remercie sincèrement. Tout à l'heure, vous avez parlé de mon engagement. Mais je pense que je ne suis pas rien de cela. C'est grâce à vous que moi, Serine Salipouy, je me suis devenu aujourd'hui ce que je suis. en tant qu'étudiant en sociologie, pour ce qu'on m'a appris, en première année, je ne peux pas dire première année même, dans les premiers mois, dès mon arrivée ici, à savoir le leadership et le développement personnel, à savoir la confiance à soi et la croyance à soi, je me suis dit, pourquoi pas d'engager une telle responsabilité que nos anciens nous ont légués ici, à savoir ce sincère amical, cette fidèle amicale, et ce si grand et noble amical, à savoir la merci Parce que si aujourd'hui, vous avez la volonté de nous regrouper amicalement, socialement, pour le partage, la solidarité, et la reconnaissance autour de nous pour le featuring de Jobas et le challenge de Jobas, on ne saura qu'à vous remercier les anciens. Et j'ai arrivé ici, j'ai vu votre démarche, votre engagement, votre détermination. Et pourquoi pas, moi, je marche dans cette volée-là en tant qu'étudiant. Tout à l'heure, Mouchembaï a dit des mots tellement importants, à savoir c'est la localité qui est l'essentiel et le fondement et le base. Et si on ne croit pas à notre très chère localité, le Djobas, dont on découvre aujourd'hui, actuellement, des grands intellectuels, des grands intellectuels même s'ils ne font rien, ou bien ils n'ont pas encore fait, mais on a ces grands intellectuels qui sont là-bas. Donc Diobas est une localité de référence avec des anciens tellement déterminés, raison pour laquelle aujourd'hui je me suis engagé en tant que président de l'amicale des étudiants ressortissants de Djobas qui sont ici à Thiès. Vous avez fait de l'amical une trésor, une très grande trésor, dont on ne voit pas oublier, parce qu'actuellement, on, on voit la situation sociale de beaucoup d'entre nous qui n'est pas du tout facile, qui est tellement difficile, et arriver ici pour qu'on vous lose et pour qu'on vous aide à pénétrer au sein de l'amical, c'est un acte à saluer mais je ne saurais pas terminer sans pour autant féliciter à l'ensemble de l'équipe, à savoir le bureau de la l'Amerzi, l'actuel bureau de la l'Amerzi, par ma voix. la L'Amerzi vous remercie solennellement de votre engagement, de votre détermination, mais aussi à l'ensemble des invités qui ont laissé leur travail, leurs préoccupations pour essayer d'être là parmi nous. Nous vous remercions sincèrement. Vraiment, les mots me manquent comme je l'ai si bien dit tout à l'heure. Vu que le Jobas, c'est notre Jobas, en tant que jeune, on ne fera rien que l'engagement. man ma wax ci langue koc ndax bu nekkoon ñun ñëpp ay séeréer lañ dinaa mën a wax séeréer bu baax ba ñëpp di xam man lii laay wax maanaam man Serigne Saliou duma koo xamante ni damay tricher koo xamante ni damay copier mais dama doon koo xamante ni damay jël nit def ko idole maanaam comme référence di koy jële exemplaire te vie que ñun dañ fi am ay anciens yoo xamante ni dañoo fekk ñu engagé wu am ancien yoo xamante ni Jobaas localité bi da leen jaral ñun duñu def dara lu dul ñun ñu mel comme ñoom engagé wu comme monsieur mbay ni mu ko waxee léegi vraiment yow monsieur mbay ñun tamit ñu ngi lay remercier bu baax quitter sa préoccupation jóge Dakar ñëw ba fii pour être parmi nous donc vraiment ñun amuñu sa fay ñu ngi leen di remercier. di leen baalu àq bu baaxa a baax a baax si coono bi déplacement bi di leen di ñaanal jàmm ak salaam yal nañu yàlla nangul suñu koor defal ñu tawféex ak taysiir musal ñu ci seytaane je vous